simplement des étoiles qui brillent. Voilà, les gars, on va continuer hein. notre cours, notre notre discussion, notre débat donc, sur le charisme. Hein. On l'avait vu. Et j'espère surtout que vous l'avez retenu. Une personne charismatique, c'est tout simplement quelqu'un qui active de manière spontanée par sympathie des gens, qui exerce une puissante fascination sur les gens, qui arrive à se faire plaire, à s'imposer. Mais aussi et surtout qui semble être à l'aise partout et dans toutes les circonstances. Si vous n'en êtes pas, ne vous en faites pas. Car vous pouvez devenir charismatique. Comment le devenir Comme je l'ai dit, on verra ça dans les prochains numéro. Faut pas alors. Pour l'instant, on va continuer avec les caractéristiques donc des personnes charismatiques. On avait parlé donc de la simplicité, on avait parlé de la présence et on avait également donc de l'action. Et j'espère surtout que ces caractéristiques-là ont été pour vous un miroir, que vous êtes regardé et surtout que vous vous êtes noté. Ne vous en faites pas, c'est la note a été basse. Car vous savez quoi Cette note-là, vous pouvez la relever, vous devez la relever. Mais tout simplement donc de vouloir, car vouloir, c'est pouvoir. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les caractéristiques. Et la première caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi C'est la confiance en soi. La confiance en soi qui mériterait même un numéro, voire plusieurs numéros, disons une série donc, de numéros. Aujourd'hui, donc, on va juste brosser le sujet. Oui, je vais vous laisser sur votre faim, mais ne vous en faites pas, je reviendrai pour en reparler amplement, pour amplement. La confiance en soi, c'est quoi Vous savez, on a tous une place à occuper. Il faut savoir occuper sa place. Pour cela, il faut savoir qui on est, de quoi on est capable, quel est le potentiel qu'on a. C'est très important, la connaissance de soi. À partir de cette connaissance donc, de soi-là, l'on pourrait avoir la confiance en soi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos potentialités. On a tous des potentialités, on a tous un potentiel. Vous avez confiance en vous et vous donnez confiance également donc, aux autres. Faites gaffe les gars, ne confondez pas du tout timidité et manque de confiance en soi. Si vous êtes timide, il n'y a pas de problème, mais tout au moins, ayez confiance en vous. Quand vous devez prendre la parole, prenez-la. La place que vous devez occuper, il faut la couper. Ne soyez jamais derrière. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas le faire. Ne dites jamais que les, autres sont meilleurs que vous. Vous savez, il y a des gens qui ont débuté étant donc timides, ne croyant pas Mais après, ils ont travaillé sur la confiance en soi. Vous aussi, vous pourrez le faire. Et comme je l'ai dit, dans les prochains numéros, nous parlons de cela. ayez confiance en vous. C'est très important. C'est primordial. De là, les gens vont tout simplement donc pouvoir avoir confiance en vous. L'autre caractéristique, c'est quoi ah, Avant de passer, là également confiance en soi, vous notez. Et vous quelqu'un qui a confiance en lui Allez-y, à vos notes. L'autre caractéristique, c'est quoi C'est l'engagement. L'engagement également, je crois qu'il constitue une caractéristique fondamentale, principale, surtout dans un pays comme le Sénégal, un pays où, comme on le dit, waouh, dès que quelqu'un respecte quand c'est juste dit. Et ça, c'est une réalité, c'est vrai. Les politiciens, les dirigeants, les marabouts, oh, voilà, je fais gaffe. En tout cas, personne ne respecte donc voilà, son cadeau. Et ça, c'est mauvais signe. Si vous êtes musulman, vous le savez mieux que moi, un musulman, c'est quelqu'un qui doit respecter ses engagements. Et ça, c'est hyper important. Dites-moi, vous serez content d'une personne avec qui vous avez un rendez-vous hyper important et que vous avez un autre rendez-vous. Celui-là rate ce rendez-vous. Non, vous serez jugé sur votre ponctualité. Les gens diront de vous si vous êtes ponctuel ou pas, et partir de là pourront avoir confiance en vous, pourront également vous donner un certain respect. Vous serez également jugé, respecté et apprécié par rapport à la manière dont vous payez vos dettes. Si vous ne payez pas vos créances, vous ne serez pas une personne d'un coup crédible. Aussi les gars, il n'y a pas d'engagement mineur tout engagement est majeur, tout engagement est important. Même si vous avez un rendez-vous juste avec votre ami, ce rendez-vous-là, il faut le respecter. Ne vous dites pas, oui, c'est juste un ami, c'est pas grave. Si je vais pas, après, on comprendra. Non, il ne peut pas comprendre. Vous ne savez pas si cet ami-là a laissé les choses hyper importantes. Donc ça, c'est des valeurs qu'il faut, qu'il faut s'auto-inculquer. Il faut les avoir, il faut les incarner partout où vous avez. À chaque fois que vous donnez votre parole, à chaque fois que vous donnez un engagement, cet engagement-là, il faut le respecter. Car vous serez jugé sur cet engagement-là. Vous savez, il faut être une personne sur qui on peut compter. Si on ne peut pas compter sur vous, qui va se mettre derrière sur vous Si on ne peut pas compter non sur vous, qui va faire appel à vous Qui va vous faire confiance que ce soit donc au travail, que ce soit en famille, partout, les engagements, il faut les respecter. Vous savez, une entreprise peut perdre un bon client parce que tout simplement, cette entreprise-là n'a pas du tout respecté les délais de raison. Donc, l'engagement, c'est hyper important. Il faut le respecter. Alors, vous en êtes où avec l'engagement Miroir, vous notez. Autre caractéristique, c'est être bien dans sa peau. Généralement, quand on dit être bien dans sa peau, les gens font surtout voilà, vous de penser à tout ce qui est l'aspect physique. Oui, j'ai un beau corps, je suis tranquille, je suis bien, ou bien je suis belle, je suis mignonne, etc. J'ai un, coup assez court, bien je... En tout cas, mon physique ne me plaît pas. Là, je ne peux pas être bien dans ma peau. Non, c'est faux. Être bien dans sa peau, c'est tout simplement se connaître, se découvrir, s'accepter. Si vous ne vous acceptez pas, qu'est-ce que vous va vous accepter Si vous voyez en vous que des défauts, que des tâches, évidemment, c'est ce reflet-là que vous allez donner dans vous. Et les autres, forcément, vont voir cela. Il faut d'abord apprendre à vous aimer, à aimer votre corps, à aimer comment vous êtes pour vous sentir bien dans votre peau et dégager une certaine force sereine. On peut être gros et plaire, on peut être mince et ne pas plaire. On peut avoir un joli corps et plaire. Tout comme on peut également ne pas avoir un joli corps pour ne pas plaire. L'essentiel, c'est quoi C'est de s'accepter comme on est être bien en soi pour tout simplement donc dégager une certaine force donc sereine, pour certainement dégager un certain reflet ou qui montre que vous avez confiance en vous, que vous êtes bien dans votre, dans votre peau. Il faut également avoir une bonne hygiène de vie quand on peut être bien dans sa peau. Une bonne hygiène de vie, c'est très très important. faire attention à ce que vous mangez. faire attention à tout ce que vous consommez. C'est très important. Autant il faut nourrir ici, il faut également donc nourrir nos ventres. Et toutes ces deux nourritures-là doivent être des nourritures donc saines, très très équilibrées. Ne mangez pas du tout des éléments qui très sincèrement vont après vous créer des problèmes. Donc mangez, ne prenez pas également des nourritures, si vous voulez, spirituelles et intellectuelles, qui après également vont vous créer des, problèmes. Donc soyez bien dans votre peau. vous, vous, acceptez comme vous êtes. c'est ainsi donc que les gens vont vous accepter. Alors, vous en êtes où Est-ce que vous êtes bien dans votre peau vous notez, c'est votre Le reflet c'est pas. Autre caractéristique, c'est oser rêver. J'aime bien cette caractéristique-là. Généralement, on me dit que je suis une personne qui est naïve. Je suis d'accord, parce que je rêve trop grand, je vois trop grand. Et parfois, c'est des choses qui sont quasi inaccessibles, en tout cas pour le commun des gens. Vous savez, ce qui est important dans le rêve, c'est quoi C'est qu'elle vous permet de vivre, elle vous permet d'espérer. Comme je dis, moi je ne vis juste que par mes rêves et pour mes rêves. Sans mes rêves, je vivrai certainement. C'est le moteur de ma vie. Ayez des rêves. Même si vous ne les attendrez pas, vous attendrez d'autres objectifs. rêvez grand, osez grand, pour vivre grand. Sinon, tout simplement, vous allez vivre petit et mourir petit. Or, la vie mérite plus que ça, comme je l'ai dit. La vie, c'est seul le succès qui le, qui le définit aux écrans, rêvez grand, soyez visionnaire. Et quand vous avez un rêve, quand vous avez une vision, n'en parlez pas à n'importe qui. Évidemment, on a besoin de consulter les gens, d'en parler, d'échanger avec les gens, de s'inspirer sur des gens. Mais n'en parlez pas à des gens qui sont hyper pessimistes, qui ne croient en rien du tout, qui ne rêvent pas de dormir, Non, vous en parlez à des gens qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, peuvent tout de même vous amener à vous remettre en cause, peuvent tout vous amener à vous remettre en question à tout simplement parfaire votre rêve, à parfaire votre idée. Parlez également à des gens qui pourront vous pousser, vous pousser, vous amener à vouloir vous voler, à croire en vous, à croire en ce rêve. Donc ayez des rêves et vivez ces rêves-là. Alors, vous en êtes où avec vos rêves Êtes-vous des gens qui rêvent Voilà, le miroir et vous vous notez. Merci de nous avoir suivis. Donc, prochainement, on va continuer le débat et cette fois-ci, on va parler ensuite de comment devenir charismatique. Avant cela, j'aimerais bien que vous fassiez cet exercice-là. Vous vous notez, vous voyez, par rapport à toutes les cassettes que nous avons vues depuis le numéro précédent jusqu'à ce numéro-ci, où est-ce que vous en êtes Ça a été un immense plaisir, un grand plaisir. J'ai impatient de voir le prochain numéro. Au revoir et prenez soin bien de vous. waaw school jobs mooy école ba nga xam ne soo ñëwee déjà lu ñu njëkk a xool mooy yow lan la la yàlla may c'est-à-dire euh, lan mooy sa possibilité euh, lan mooy sa talent ak yow surtout yow sa rêve yow lan nga bëgg doon ëllëg ci biir une fois que ñu xam ko dañuy commencer nag léegi di la. di la jox ay jumtukaay di la jox ay professeur di la jox ay outil ya nga xam ne lay permettre yow euh, yow nga mun atteindre sa rêve euh, am na ñi nga xam bëgg doon avocat am bëgg doon euh, entrepreneur am ñi nga xam bëgg ay professeur am ñi nga xam bëgg def def propre business am ñi nga xam bëgg def ci économie numérique am ñi nga xam bëgg def marketing communication am na ñi nga xam business bopp nañu bëgg développer loolu yépp school jobs da lay pour je m'appelle Awa Senghor je suis euh, étudiante à l'université Cheikh Anta de Dakar euh, depuis trois mois je me suis euh, inscrite à School Jobs une école de la place qui se trouve aux je devais faire là-bas trois mois de formation mais à peine un mois de formation j'ai pu bénéficier d'un stage. Euh, et depuis lors, je suis ici en tant qu'assistante de gestion de projet. School Jobs du la ba keroog ba ngay am Au euh, School Jobs a une ambiance de travail c'est très relax et puis euh, surtout dafa moderne dafa moderne parce que parce que ni ñuy de la parce que nous lay jàngal li nga soxla. problème am ñoo xam ne sax euh, fii dañuy jóge cité ñëw di jàng si foofu wala ñu jóge si école de formation yi ñëw di jàng si foofu te di leen yàqal dara. waaye itam su xasee ba dem ci école bi dina ko moo xam système bi moo xam itam naka la marché wu liggéeyu ëllëg si mel toujours ngay ajusté toujours sooy dem ngay seet fan laa jëm soo demee ba fii nga ne léegi nan lay ajusté. School Jobs. dafay ut ay professeurs yu xarañ jóge ci monde entier toujours ay professeurs yu am talent lay doon te professeurs yi nga xam ne ñoom xam nañu ñuy dugalee xam-xam ci biir étudiant bi ndaxte lan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 dugal tout c'est grâce à Ouskoul c'est tout ça grâce à Ouskoul coucou à tous les étudiants à Ouskoul Jobs je vous adore. tournée des rivières porter des poids traverser des mers je saurais faire défier des machines